from vendredi 7 juin 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Les sujets que nous allons aborder ce soir sont l'exercice militaire national dénommé Tarhanakal, mené du 20 mai au 3 juin 2024 au centre d'entraînement et de formation des forces spéciales de Tilia, région d'Ottawa. Ensuite, l'accord obtenu entre le gouvernement nigérien et le Fonds monétaire international qui va verser au Niger plus de 70 millions de dollars. Enfin, la première visite du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dans des pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir autour de moi Madame Memouna Diadou, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Hassan Boukar, journaliste à la radio Alternative, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Souma Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant, bonsoir. Bonsoir, Madame Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Du 20 mai au 3 juin 2024, les forces armées nigériennes ont mené un exercice militaire national d'envergure au centre d'entraînement et de formation des forces euh, spéciales de Tilia, région d'Ottawa, et ce en partenariat avec leurs homologues des pays membres de l'AES, à savoir le Burkina Faso et le Mali, ainsi que celles du Tchad et du Togo. Selon le ministère de la Défense nationale, cette manœuvre militaire baptisée Tarhanakal ou Amour de la patrie en langue tamashek vise à renforcer les capacités de résilience des forces de l'Alliance des États du Sahel face à toutes les menaces potentielles ainsi qu'à renforcer l'interopérabilité et la coopération entre les armées des pays participants. Elle se traduit également par des activités civilo-militaires au profit des populations locales. Alors je commence avec vous Abdoulaye. Euh, quelle est votre appréciation de cette initiative Oui, l'initiative, euh, elle est bonne dès l'instant où les pays de l'AS, que sont le Niger, le Mali, le Burkina, et ainsi que le Tchad, qui est également un pays sahélien mais non membre de l'AES, et le Togo, n'est-ce pas, qui n'est pas un pays sahélien, ces pays font face à la menace djihadiste depuis plus d'une décennie. Pour le cas peut-être du Togo, on peut estimer que c'est pas très récent, n'est-ce pas, avec euh, cette histoire de migration pratiquement si on peut le dire, n'est-ce pas, des troupes djihadistes vers le golfe de, Guinée. Alors, euh, au niveau de l'AES, déjà, les forces militaires ont commencé à faire des entreprendre des actions conjointes, des actions militaires conjointes pour pouvoir euh, mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes et djihadistes. Mmh. Alors, cette euh, opération, n'est-ce pas, euh, vise également à mutualiser les forces, à procéder à des échanges de, de formation, n'est-ce pas, pour que pour faire face efficacement à cette menace djihadiste qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, euh, est de plus en plus criarde. Même si par ailleurs, au niveau des pays de l'AES, on sent, n'est-ce pas, euh, une certaine euh, montée en puissance des armées mm. et que les attaques se font de plus en plus euh, moindres et que les terroristes sont en train de payer un lourd tribut du fait de la puissance de feu, n'est-ce pas, de ces armées. Mm. Il faut également reconnaître que euh, les pays de l'AES, dans leur vision globale, n'est-ce pas, de lutte contre le djihadisme, projettent, n'est-ce pas, de un état major des armées aussi au, Niger. Alors, le théâtre d'opération. C'est pas officiel Non, pas encore parce que il faut. Mais pour l'instant, déjà, ils travaillent en, harmonie. Mm. on a même vu le cas de, de, Kidal, où les trois armées ont quand même, où les deux armées, à savoir euh, l'armée nigérienne et l'armée burkinabé, ont prêté main forte à leur sœur de, du Mali pour pouvoir libérer mm. Kidal. Alors, euh, on ne peut que saluer cette, euh, euh, cette opération qui peut-être ne sera pas ça. C'est juste un exercice, mhm. selon moi, un exercice test. Mhm. Et il faut également se réjouir du fait que ce surfinancement propre, n'est-ce pas, de ces armées, que cet exercice des, des, États Des États membres, n'est-ce pas mhm. Donc, les cinq pays, hein, les cinq pays, c'est sur. D'accord. Oui. Alors. Euh, Hassan Boukar, Abdoulaye l'a dit, euh, le Togo, le Tchad ne font pas partie de l'AES. Que vivent ces deux pays à travers leur participation, selon vous, à ah, C'est une bonne question. Je, pense que ça ressemble à un exercice des, des, des armées de, l'ex-G5 Sahel. Vous vous rendrez compte que seul le Togo est venu se rajouter. <coughs> Il ne manquait que la Mauritanie pour faire le G5 Sahel temps. Ça montre aujourd'hui une volonté des armées de la sous-région de mutualiser leurs forces pour aller lutter contre l'adversaire commun, contre l'ennemi commun qui est l'insécurité. Mm. Donc pour moi, c'est extrêmement bon. Et ça montre aussi quelque part qu'il y a un type de coopération qui est utile avec les puissances. Euh, ce centre de a été construit, euh, beaucoup de sources le disent, avec euh, l'aide de la coopération allemande. Mm. Ça a été équipé par la coopération américaine. Ça montre que ce type d'appui c'est peut-être ça qui peut aider nos armées et non que d'autres armées viennent s'installer pour essayer de faire la guerre à notre renforcer la capacité. renforcer véritablement, donner à ces armées l'opportunité de montrer ce qu'elles savent faire. Le Tchad et le Togo, vous savez bien que dans la crise récente, <clears throat> le Tchad, c'est vraiment le pays qui clairement, qui a clairement affiché son refus de voir son armée participer à toute agression contre le Niger. Le Togo l'a montré aussi de façon très claire. Le Togo a été très proche des États membres de l'AES. Ça montre aujourd'hui une entente entre les pays membres de l'AES et ces deux pays-là, qui pourraient, peut-être, on ne sait doit-on s'attendre à ce que ces pays euh, intègrent l'AES Mais ce ne serait pas <laughs> surprenant. C'est vrai que le Togo est toujours membre de, la CDAO. Les mm. pays de l'AES l'ont quitté. Le Tchad euh, se retrouve en Afrique centrale. Donc, euh, mais ce qui s'en montre aujourd'hui, c'est une volonté de travailler ensemble. C'est-à-dire que la coopération peut naître par la suite, hein, les choses peuvent se renforcer. Il y a déjà euh, au moins à travers euh, la commission du bassin du lac Tchad, le Niger et le Tchad ont l'habitude de travailler. Les deux armées se retrouvent avec la force militaire mixte autour du bassin du lac Tchad. Avec le Togo, aujourd'hui, il y a toute une coopération qui se déroule depuis euh, les sanctions euh, prises par la CDAO contre le Niger, mm. que ce soit sur l'accès à la mer via le port du Togo, toute cette euh, volonté manifestée par le Togo de ne jamais rompre le pont avec les pays membres de l'AES. Je pense que c'est des pays qui s'entendent. Et pour moi, qu'une initiative vienne des pays africains eux-mêmes, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Mhm, mhm. On connaît les, ces exercices hein, qui sont proposés par les États-Unis aux pays du, du Sahel. Mhm. Et, euh, et bien au-delà, euh, parce que les États-Unis réunissent parfois une dizaine de pays qui va donc au-delà du Sahel. Vraiment une initiative des pays du Sahel eux-mêmes de se mettre ensemble, de partager leur expérience, de faire des exercices, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ils peuvent toujours collaborer avec les autres puissances. En ce moment, les autres viennent autour d'une initiative locale, mhm. c'est-à-dire que les autres partenaires, s'ils veulent les aider, eh bien qu'ils aident une idée née et construite par euh, ces pays membres de, de l'AES et, non des idées qui viennent d'ailleurs. Et le défi est presque commun, l'insécurité, ah, combattre l'insécurité. Euh, tout à fait, à, à, tous ces pays, je pense que, y compris pour le Togo, parce que si le Sahel n'est pas pacifié, le reste du golfe de Guinée, du Sahel, de la CDAO ne peut pas se porter bien. Mm-hmm, mm-hmm. Donc je pense que chacun a intérêt aujourd'hui à encourager. Et je pense qu'à un moment, on s'est attendu à ce que la CDAO fasse des choses de ce type, c'est-à-dire que la CDAO puisse aider n'est-ce pas, les pays qui étaient en conflit, en mobilisant les autres armées. Il y a eu des réunions dans lesquelles ces discussions ont été annoncées mm. et n'ont jamais vu le jour. C'est-à-dire une initiative peut-être du Niger, du Burkina et du Mali, appuyée par les autres pays, de la... y compris leurs armées. Et donc, au lieu de faire venir des puissances extérieures qui n'ont pas forcément le même agenda que nos États, mm. faire une initiative locale appuyé par les autres pays, aurait peut-être produit beaucoup plus de résultats si ça a été fait depuis. Pour eux qui connaissent la réalité du terrain. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose à saluer. Alors une initiative à saluer et selon le ministère, cet exercice est la première manœuvre militaire du genre menée conjointement par les armées des cinq pays dans une zone qui est en proie aux menaces sécuritaires depuis plusieurs années, avec notamment les attaques des groupes armés terroristes. Mais Mouna, aujourd'hui, euh, cette initiative, elle est à saluer. Comment ils doivent, sur quoi ils doivent mettre l'accent aujourd'hui Comment ils doivent euh, fonctionner pour une meilleure opérationnalisation Déjà, euh, c'est vrai, c'est une action à saluer et déjà, je pense qu'ils ont mis l'accent sur la sécurité, mm. puisqu'on parle de, de, quatre pays euh, cinq, pays, de cinq pays, et les cinq pays sont déjà confrontés donc à cette insécurité. Euh, nous avons le Tchad qui, ça fait longtemps, qui, a à côté donc euh, des forces nigériennes hein, pour lutter contre le terrorisme et le Togo c'est vers le nord Togo qui est en proie aujourd'hui à cette crise sécuritaire et je pense que l'accent serait plutôt mis sur euh, vraiment la sécurité, mhm. euh, la coopération également euh, entre les cinq pays. Comment est-ce qu'aujourd'hui il faut essayer de renforcer, euh, ne serait-ce que parce qu'ils l'ont ils l'ont montré qu'ils peuvent, ils peuvent avec euh, les cinq pays, ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Ils peuvent avoir des coopérations, en tout cas fructueuses, euh, d'échanges euh, euh, euh mhm. déjà <laughs> entre les, cinq pays et également, euh, peut-être qu'il y aura une vision, qui sait, hein, ils mhm. peuvent se retrouver aussi dans l'AES. Hein. Personne, personne ne peut, en tout cas, ignorer ça. Mhm. Et peut-être que c'est, c'est déjà <laughs> la, la voie est déjà tracée pour pouvoir euh, être plus proche de ces trois pays-là et puis des échanges d'expériences, hein, parce mhm. que qu'on le veuille ou non, euh, les cinq pays ont toujours des choses à se, à, se donner comme mhm. expérience. Mhm. Alors oui, et Hassan Boukar. Je pense que euh, il y a une dizaine d'années, lorsque ce conflit a commencé au Sahel, la plupart de nos armées n'étaient pas préparées, franchement, à faire face à, ce, à cet ennemi. On parlait de guerre asymétrique, de certains conflits qui prenaient la forme de, de guérilla, des petits groupes qui interviennent, qui déstabilisent un village, qui attaquent un poste euh, frontalier, etc. Aujourd'hui, je pense que ces armées ont acquis de l'expérience, mm. que ce soit l'armée tchadienne, celle du Sahel, euh, de l'AES ou du Togo. Il y a donc quelque chose que ces armées peuvent partager. Aujourd'hui, il y a énormément de questions. Par exemple, on se pose la question de comment ces groupes terroristes se ravitaillent avec les moyens logistiques. Hmm. On voit des centaines de motos qui sont parfois des motos détruites par les armées, puis euh, elles sont renouvelées, ces motos. Pour que les motos, c'est qu'il faut du carburant. Ça veut dire qu'il y a des circuits de ravitaillement de ces groupes en carburant, hmm. mais aussi le recrutement d'hommes. Comment ces, groupes terroristes arrivent à renouveler leur personnel hmm, euh, Sur une dizaine d'années, Beaucoup de terroristes ont été tués par ces différentes armées. et pourtant, il y a toujours des mécanismes il euh, faut s'interroger vraiment. Donc, il y a, à mon avis, beaucoup de questions auxquelles ces armées réunies peuvent essayer de répondre, parce que maintenant, tout le monde voit les limites de l'action militaire. Hein. Mm, Je mm. pense qu'aujourd'hui, ces armées, elles savent sur quoi faut mettre l'action militaire et quel est le type d'action, quel est le type de réponse qu'il faut trouver à notre niveau. À mon avis, normalement aujourd'hui, ces armées, elles doivent être mieux préparées qu'il y a dix ans mm. pour faire face aux défis, y compris en gérant bien leurs moyens propres. D'accord, merci bien donc euh, pour euh, le décryptage de ce premier sujet. Nous allons observer une courte pause. nous entamons donc le deuxième sujet de ce forum de la presse. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé samedi 1er juin 2024 dans un communiqué être parvenu à un accord avec le gouvernement nigérien portant sur les revues périodiques de plusieurs programmes d'aide en cours avec le pays du Sahel, ouvrant donc la porte au versement de plus de 70 millions de dollars, plus de 105 millions d'euros. L'accord doit désormais recevoir l'aval du conseil d'administration du FMI qui devrait se réunir dans les prochaines semaines, a précisé l'institution dans son communiqué. Je reste toujours avec vous, Hassan. Euh, que doit-on comprendre à travers cette euh, Bon, ça, veut dire simplement que après la crise liée aux sanctions dont le Niger a écopé, mm les, institutions reviennent maintenant vers le Niger. Donc le FMI vient continuer un, chantier qu'il avait déjà ouvert avec le régime passé. Les programmes d'aide, oui. Voilà, au nom de la continuité de l'État, donc ces programmes euh, reprennent et se poursuivent. Euh, pour un pays comme le Niger qui a connu 6 euh, à 7 mois d'embargo mhm. total, y compris sur la circulation financière, le réseau bancaire, etc c'est une bonne chose parce que ça permet d'encaisser peut-être des ressources qui, qui viennent du, du, FMI. Mhm. Donc ça permet un peu de soulager les difficultés, surtout en ce moment où le CNSP doit faire face à plusieurs Effectivement, défis. Surtout qu'il eh, y a plusieurs institutions qui ont suspendu leur aide au pays. Donc le FMI est l'une des rares institutions à reprendre. <coughs> Voilà, voilà. Eh, mais, mais, mais, au-delà de, cette annonce, mhm. je pense qu'il faut aussi... Euh, voire de façon beaucoup plus profonde. Hein, euh, le, FMI est une institution qui est restée aux côtés de nos États depuis la fin de la, de la guerre. Il y a eu plusieurs métamorphoses. Finalement, le FMI annonce toujours être aux côtés des États pour donner des conseils. Mhm. Aujourd'hui, euh, les experts qui se sont penchés sur la question ont clairement montré que le FMI n'est pas un simple conseiller. C'est beaucoup plus que ça le FMI vise à maintenir un système qui fait que on est avec le FMI qui a annoncé mhm. euh, le développement de nos États, qui a annoncé mettre fin à certains niveaux d'endettement, mais j'ai l'impression qu'on est toujours euh, dans la même situation dans nos pays. Je pense que la question de la souveraineté, c'est aussi une question qui consiste à ce qu'on prenne en main, y compris le chemin qu'on veut emprunter. Mhm, le mhm, chemin, vous, vous, amène sur un chemin qui est déjà tracé mm, mm. par des institutions qui ont intérêt. Au FMI, nous sommes membres du FMI, mais au FMI, il y a membres et membres. Il y en a ceux qui décident parce que c'est eux qui financent le FMI. des pays comme les nôtres, les pays du Sud, ont plutôt souffert des politiques du FMI. N'oublions pas le fameux consensus de Washington, mm, le programme d'ajustement structurel. Le FMI a été un, un, des acteurs de ces... C'est-à-dire, le FMI aujourd'hui, ils viennent, ils font beaucoup d'entente de, avec les États, ces ententes ne sont pas connues par les citoyens. C'est sous condition, certains oui. Sous condition. Aujourd'hui, mhm. euh, ce qui est annoncé sur l'argent, à quel prix on reçoit cet mhm. argent C'est-à-dire que le FMI dit il y a des accords avec l'État, en vertu de ces accords, parce qu'il y a des progrès, on décaisse telle tranche. mais, mais, ces accords, ça porte sur quoi mhm. C'est un peu ce qu'on est. Prenons un exemple à côté de chez nous. C'est sous conseil du FMI, que le Nigeria a réduit la subvention sur le hydrocarbures. Mm. Ça fait des années que le FMI le conseille au Nigeria. Mm. Le FMI conseille au Nigeria de, mettre fin à la subvention sur l'électricité. Mm. C'est-à-dire, les décisions du FMI ont souvent des conséquences sociales catastrophiques. Mais ça, on ne le dit pas dans la communication. On dit, le FMI dit, il est content du progrès réalisé par un pays, en vertu des accords qu'il y a avec son institution, mais quelquefois, c'est des décisions qui sont prises contre l'intérêt, contre le côté social. autre chose que l'FMI annonce, l'FMI dit il y aura une croissance à deux chiffres. ça, fait mm-hmm. plaisir, on dit 10,6%, mm-hmm. on est content, etc. Mm-hmm. Mais croissance pour qui mais, je dis qu'il y a énormément de questions. Oui, mais sur le terrain même, quels sont les secteurs primordiaux euh, Cette croissance, cette euh, croissance, c'est assez clair ça va être porté par les pétrole. C'est-à-dire, on passe euh, d'une production entre 18 et 20 000 barils barils jour mhm, euh, mhm, mhm. depuis 2011. On passe maintenant à 100, 110 000 barils jour. Donc, ça va augmenter. Maintenant, la question c'est, est-ce que le citoyen va le ressentir dans son assiette? Euh, euh, il y a des moments où on a connu des taux de croissance mhm. déjà assez mhm. importants. C'est-à-dire euh, là, pendant la 7 République, quand on compare à certains pays membres de l'UOMOA ou à certains pays sur le continent, on a quand même un certain taux de croissance. Sauf que le citoyen ne l'a pas forcément vu si son assiette. Un taux de croissance qui ne se traduit pas par des meilleurs investissements dans les secteurs sociaux, c'est toujours quelque chose qu'on mhm. peut interroger. Donc, il y a un discours. Quelquefois, moi, je me méfie de ce discours. Alors, vous, Mémoula quel est votre avis sur ce sujet ah, quelles sont les retombées qu'on peut avoir monsieur cette annonce annonce. a déjà tout dit. <laughs> <laughs> il a tout dit. il mhm. Et effectivement, il a fait le tour d'horizon de ce qu'on peut attendre euh, du FMI, ce qu'on peut attendre également, où est-ce que ça devrait être investi. Mhm. Et c'est vrai, il faut également se méfier parce que on, vient, on, dit qu'il y aura 70 millions qui seront décaissés. Euh, c'est une continuité donc euh, des, c'est une continuité des programmes euh, qu'ils avaient laissé les programmes d'aide en cours, au moment où il y avait eu le coup d'État. Mm. Et donc, euh, ces personnes ne sait, sur quoi déjà les programmes qu'ils ont laissés, déjà les programmes, ça se situe sur quoi mm. C'est sur quelle base et, comment est-ce que cet argent sera peut-être investi mm. Donc, il faut être très vigilant parce qu'on a besoin plus de communication, parce que là, c'est vraiment les Nigériens ont besoin de communication autour de ça. Et espérons que, comme l'a dit Hassan Boukar, que les Nigériens vont ressentir les retombées <laughs> dans les assiettes, hein, parce qu'il nous faut vraiment changer. Hein changer cette situation de crise déjà, euh, crise alimentaire. Nous sommes déjà dans une saison où personne ne pourrait euh, éventuellement savoir si la saison hivernale sera une bonne saison hivernale. Avec le changement climatique. Avec le changement climatique de ce côté et également des régions qui ne peuvent pas, aujourd'hui, les populations ne peuvent pas cultiver. Ça, il faut se le, il faut se le dire. Le défi est donc énorme. Le défi est énorme. Ceux qui nous attendent et ceux qui attendent également les autorités, c'est énorme. Mm-hmm. Donc, euh, il faut dès maintenant savoir, en tout cas, les, les trucs primordiaux les actions qui seraient plus bien. Mais selon vous, quels quel pourraient être ces, les défis urgents, les actions urgentes Les défis urgents, <laughs> c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Mhm. Les défis urgents aujourd'hui, moi je pense qu'un ventre affamé ne peut pas faire, euh, <laughs> ne peut pas faire grand-chose. Hein. Mhm. Euh, on ne peut pas aujourd'hui demander à un Nigérien de de, de, de, réfléchir sur euh, autre chose s'il mhm. a le ventre qui est creux. Ce n'est pas, pas facile. Donc, déjà, il faut essayer de voir euh, du côté de l'agriculture, du côté les euh, secteurs primordiaux. Les secteurs primordiaux. Il faut essayer de voir la santé. C'est tout ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Hein. Mhm. Et je l'ai dit, il y a des zones où aujourd'hui, il y a pratiquement personne dans ces villages-là. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans les villages qui ont fui l'insécurité, mhm. aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont faire mhm, mhm, pour pouvoir euh, s'aimer et pour pouvoir récolter après Parce que là, c'est la plus grande zone. On, on connaît Tilaberi. Tilaberi, quand même, c'est une zone d'agriculture et, et aujourd'hui, c'est pas permis à n'importe qui d'aller. En tout cas, travailler la terre. Donc, il faut prendre des dispositions. Il faut vraiment euh, qu'on s'y mette de ce côté-là. Alors, cet accord doit désormais recevoir euh, l'accord ou bien l'aval du conseil d'administration du FMI qui devrait se réunir dans les prochaines semaines, a précisé l'institution dans son communiqué. Abdoulaye, quels sont, selon vous, les défis les plus urgents pour le gouvernement à travers cette somme qui sera peut-être décaissée les prochains jours à venir les défis, ils sont, ils, sont, ils sont là et ils ont pour nom la sécurité, ils ont pour nom l'autosuffisance euh, alimentaire, ils ont pour nous euh, une bonne éducation, etc. etc. Mm-hmm. Alors on voit bien que si, comme l'a dit le Premier ministre euh, Maman Zen cette rencontre, n'est-ce pas, de, ce retour du FMI, n'est-ce pas, qui signe également le retour du Niger sur euh, la scène internationale au plan diplomatique dont il faut se réjouir. cette euh, situation augure, n'est-ce pas, des perspectives heureuses. Et étant donné que l'exportation du pétrole et là, le FMI s'était également penché sur ça. Mmh, mmh, mmh. Ensuite, des prévisions, somme toutes prometteuses, n'est-ce pas, d'une campagne agricole par la, météo. Mais néanmoins, il reste plus ou moins un peu fragile. Les difficultés, ils sont, ils sont là. La santé coûte très cher. Moi, j'étais la semaine passée dans une pharmacie de la place. Un produit que j'avais l'habitude d'acheter avant le coût d'État à 2700 on m'avait on m'avait donné 9000 9000 euh, francs c'est mhm. vrai donc mhm. voyez-vous c'est vraiment inquiétant ça ne mhm. va pas alors l'urgence c'est de parer au plus pressé pour que les Nigériens puissent s'auto-suffire du point de vue alimentaire il faut peut-être saluer hein, et vous pensez qu'aujourd'hui ces programmes d'aide aussi peuvent venir euh, Bon, les programmes d'aide, ça euh, Hassan vient de, le dire, euh, souvent il y a des conditionnalités mhm, très mhm. austères qui font que même pour décaisser ces fonds, on a discuté de ça il y a quelque temps, mhm. et le décaissement même c'est un problème, c'est tout un circuit. Alors ça sera la croix et la bannière. L'un dans l'autre, il faut vraiment penser à, compter sur nos propres, sur nos propres forces et c'est dans ce cadre que je peux m'inscrire dans la dynamique, n'est-ce pas, dans la vision peut-être du CNSP avec euh, cette politique de la grande irrigation de, mm-hmm. de, On estime que très rapidement, du point de vue alimentaire, euh, en tout cas sur euh, le riz, on peut quand même trouver un, une d'oxygène, un bouée de sauvetage pour pouvoir mm-hmm. manger peut-être à notre faim. Mais ce n'est pas facile. Les gens souffrent extrêmement, tout coûte cher et on voit que l'État même a des difficultés à ramener certains opérateurs économiques, n'est-ce pas, à la raison, à savoir, à, faire en sorte que les prix des denrées alimentaires à, la baisse pour mm-hmm. que ça soit accessible. La situation est critique selon Abdoulaye. Euh, la vie chère, tout est cher. Aujourd'hui, euh, toutes ces, aides annoncées, le FMI aussi, c'est une aide qui a annoncé. Ce n'est pas un acquis jusque-là. Aujourd'hui, euh, Hassan Boukar, nos autorités, comment ils doivent s'y prendre à travers ces, annonces d'aide les, aides du FMI, c'est généralement des aides qui, qui sont conditionnées par des réformes, mm. c'est-à-dire des réformes sur le plan commercial. On peut demander à l'État, par exemple, de se retirer davantage d'un secteur pour que le privé puisse arriver davantage. Il peut demander la promotion du secteur privé. Mm. Donc là, par exemple, le FMI euh, parle aussi de la mobilisation des ressources internes en disant, pour financer la lutte contre l'insécurité, pour financer le secteur social, il faut qu'on améliore les capacités du Niger à mobiliser des ressources, y mm-hmm. compris dans le domaine du pétrole. Mm-hmm. Par exemple, sur le pétrole, on sait qu'il y a des fluctuations sur le marché. Le FMI dit au Niger de mettre en place un mécanisme, n'est-ce pas, un peu qui aide le Niger à moins ressentir l'instabilité sur le marché. Mm. Quand on l'entend de cette façon, c'est bien, hein, c'est un discours assez clair. Le fond est totalement différent. Les aides du FMI, ce mm-hmm. n'est pas pour distribuer des vivres aux populations nécessiteuses. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce fonds permettent à l'État de régler un certain nombre de questions, ça leur permet d'avoir des ressources. Maintenant, le reste, c'est vraiment aux Nigériens de se battre pour pouvoir le faire. Mhm. Il y a sans doute des partenaires qui, de temps à autre, peuvent apporter des appuis, mais il faut euh, espérer que la campagne agricole soit bonne. Il faut, par exemple, que les ressources du pétrole, qu'il y ait une bonne gestion. Mhm. Il faut que ces ressources soient bien gérées. Il y a des pays dans lesquels, euh, quand les ressources du pétrole arrivent, on s'est dit, bon, la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'après-pétrole. Mhm, mhm. On aura dû avoir d'importantes quantités. Mhm. Ça va finir un jour. La question, c'est sur quoi peut-on investir Aujourd'hui, tout le monde dit, ce pays a plus de 80% agricole. Comment, par exemple, utiliser l'argent du pétrole pour booster le secteur agricole On dit, une de nos difficultés dans le secteur agricole, par exemple, c'est le fait que l'agriculture est dépendante des cultures, des pluies. Or, il n'y a rien de plus aléatoire que les plus au Sahel. Il faut donc la solution, ce sont les cultures irriguées. Est-ce qu'on euh, peut réfléchir à investir davantage Oui. donc à mon avis, le pétrole, son utilité aujourd'hui, c'est s'il permet de créer des opportunités de façon à ce qu'on puisse moins ressentir l'après-pétrole. La mm, mm. Et ça, c'est au moment où tu as les ressources qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas attendre euh, la mi-exploitation pour dire en ce moment c'est fini. Regardez, rien que la question des communications dans ce pays. Le Niger est vaste. Dans la plupart des pays qui sont vastes, la communication est un vrai défi. Mm, mm, mm. Joindre Agadez, joindre Birma aujourd'hui, joindre Difa, il y a des mois où, quand une route se dégrade, pendant 6-7 ans, on n'arrive pas à la reprendre, etc. Donc, à mon avis, il y a des investissements stratégiques qu'il faut faire. Le pétrole, c'est une opportunité pour le Niger. Le mhm. fait qu'il y ait aujourd'hui d'importantes ressources qu'on peut exporter, c'est une opportunité. Mhm. Il faut pouvoir utiliser. Et notre constitution l'a réglé. Hein. Souvent, on l'oublie. La Constitution a dit quel est le domaine dans lequel il faut utiliser en priorité mhm. les ressources du mhm. pétrole. Ça, les, gens doivent se le rappeler. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de défis, malheureusement, dans des pays comme le nôtre, mhm. mais il faut bien qu'il y ait la bonne gouvernance. Alors, toutes ces, annonces d'aide, il faut le comprendre, c'est tellement stratégique. Voilà. quand, on parle d'aide aussi, moi, j'ai dit souvent avec les médias. Alors, quand on dit aide, c'est un générique. Ça peut être des crédits que vous remboursez parfois à des taux élevés. Ça peut être des appuis que vous ne remboursez pas par l'argent, mhm. mais que vous remboursez par des réformes. Et ces réformes, malheureusement, les réformes ne font pas l'objet de discussions publiques. C'est-à-dire que vous les appliquez à des citoyens, vous faites les discussions avec le FMI mhm. pour les appliquer aux citoyens nigériens qui, eux, ne, sont pas partie prenante à la discussion. Donc, il y a énormément de subtilités dans le discours quand on dit une aide entre deux amis, quand on dit aide, on voit cadeau, on voit, j'ai des problèmes, tu m'aides. Entre des États, <laughs> par exemple, le, FMI, le FMI gère l'argent de quelqu'un. Mhm. Il y a des puissances qui sont derrière, mhm. qui veulent promouvoir un type de gouvernance, un, modèle de gouvernance à travers le monde. Mhm. Le FMI, par exemple, fait la promotion du secteur privé, il fait la promotion du commerce, parce que ceux qui financent le FMI ont des capitaux qu'ils veulent injecter dans des régions du monde pour pouvoir s'en sortir. Donc, l'argent du FMI, c'est pas forcément des choses qui vont dans les sens. Merci, merci. Nous allons donc euh, entamer la troisième partie euh, de ce forum. Le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye s'est rendu le jeudi 30 mai au Mali et au Burkina Faso. Cette visite est la première depuis son investiture en avril dernier. Le président Bassirou a jugé possible à Bamako et à Ouagadougou une réconciliation entre la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et les trois pays de Sahel qui ont rompu avec ces mais Mouna, quelles sont vos impressions hmm. de cette euh, ce que je pourrais dire en fait, c'est que ça serait pas facile, en tout cas cette mission pour euh, le président sénégalais. Pourquoi ah, Je me dis que ce serait pas facile parce que les trois pays de l'AES, euh, le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de, claquer la porte de la CDAO. C'est pas pour rien. Hmm. C'est parce que tout simplement ils ont ils ont vu le système de la CDAO. Est-ce que ça ne leur convient pas en fait Maintenant, les faire retourner, c'est une tâche qu'on lui a confiée. il est bon, il ne peut ne pas refuser, hmm. mais il va essayer de tenter. Mais de tenter. Il a déjà commencé avec ses visites. Euh, dans deux des pays, avec trois pays. Avec ses visites, mais est-ce que ça pourrait aboutir facilement C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut, en tout cas pour pouvoir approcher les trois euh, chefs d'État. Et surtout que on a vu ce que la CDA a fait à ces trois, à ces trois pays. Donc vous êtes optimiste à vous entendre, vous êtes pessimiste autant pour moi ah, quant à la réconciliation entre euh, les pays de l'AES et je la ne Pas, <laughs> il, peut, il peut y avoir une réconciliation, mais est-ce que la réconciliation sera conditionnée Ça sera par exemple peut-être ce que eux, les trois pays là, ils vont se décider à poser sur la table de la CDAO, même s'ils ne veulent pas quitter la CDAO, même s'ils n'ont pas l'idée de quitter la CDAO. Parce mm. qu'on peut être frustré et on peut se dire que bon, on va claquer la porte, on va aller. Mais je me dis que la CDAO reste la CDAO. C'est des hommes qui vont quitter. Il y a d'autres hommes qui vont venir, les chefs d'État qui, vont, qui sont toujours remplacés par d'autres chefs d'État. Mm-hmm. Peut-être là, c'est de voir le mécanisme comment le fonctionnement même de la CDAO. Ça, c'est de revisiter les textes pour voir maintenant qu'est-ce qu'il faut améliorer dans les textes de la CDAO pour que tous ces États-là se retrouvent dedans mhm. et qu'il n'y ait plus ces, ces, genres de zizanie où à un coup d'État, on, on, prend les peuples en otage parce que c'est ça en fait, mhm, mhm. c'est ça le hic, c'est ça qui ne plaît pas en tout cas, et, qui la déclaration même du président, il disait, je cite, qu'il ne désespère pas de voir la CDAO repartir sur de nouvelles bases. Voilà, si ils veulent, c'est ça, je dis, la éviter la hein. situation que nous sommes en train, mm. en, tout cas, de vivre, que les pays africains sont en train de vivre. C'est pas parce qu'on a fait un coup d'État qu'il faut suspendre tout, il faut prendre le peuple en otage, il faut cesser, fermer les frontières. Mais est-ce que tout ça, ça se retrouve dans les textes de la CDAO. Si ça se retrouve dans les textes de la CDAO, mieux vaut s'asseoir et dire, bon, voilà, à tel article, moi je pense que ça, on devrait revisiter ça on devrait enlever ça et on doit faire en sorte que nos pays soient ce, euh, dans, dans, même s'ils se retrouvent dans des difficultés, mm. qu'on arrive quand même, les autres pays arrivent quand même de la CDAO à les épauler. Donc, Alors, Abdoulaye Memouna est un peu pessimiste sur la question de la réconciliation entre les pays de l'AES qui se sont retirés de la CDAO et l'institution. Euh, vous, que, vous, que pensez-vous même de la démarche du président Joma Faye qui s'est rendu dans ces deux pays oui, la démarche de Joma Faye, c'est une démarche, je dirais, personnelle. C'est-à-dire Il n'a pas été investi par euh, le restant des pays de la CDAO pour venir euh, écouter les dirigeants, n'est-ce pas, donc de la, de l'AES. Hmm. Lui-même, il l'a dit qu'il s'est investi hmm. et que c'est une visite de de contact au niveau de ses voisins, que sont donc euh, le Mali et le Burkina. Et sa prise de contact, euh, il avait commencé déjà aux premières heures de son investiture, après son investiture, avec euh, la Mauritanie et la Gambie, mhm. avant, n'est-ce pas, donc d'aller en Gambie d'aller au Ghana, au, Nigeria, en Côte d'Ivoire, mhm. Et je crois bien, oui, c'est ça. Voilà. Donc, si on peut estimer que avant de venir euh, au niveau au Burkina, au Mali et ensuite euh, au, au, Burkina, il a eu à rencontrer le restant donc, de ces pays de la CDAO avec euh, le président Tinubu, avec euh, Draman euh, Ouattara de la Côte d'Ivoire, on peut se dire que peut-être que quelque part, on lui aurait soufflé d'aller voir au niveau des pays de l'AES mm. ce qu'ils pourraient, n'est-ce pas, prendre leur, vision, mm. n'est-ce pas, mm. de voir, n'est-ce pas, la CDAO, étant donné que quand les pays de l'AES ont claqué la porte de la CDAO, la CDAO a continué, n'est-ce pas, à, faire en sorte que, à demander, n'est-ce pas, le retour de ces trois pays-là au niveau de l'organisation communautaire. Mm-hmm. Ces trois pays ont dit que c'est un départ euh, définitif avec euh, effet immédiat. Alors, cette euh, démarche, n'est-ce pas, donc, de, de, de Joma est peut-être il a eu à sonder, à tâter le, terrain. Mm-hmm. Il aurait dit, avec, euh, après avoir rencontré euh, l'autre, euh, le président malien, et, bah, le président malien, mm-hmm. que malgré sa rigidité, il y a une certaine, une certaine ouverture, n'est-ce pas, pour pouvoir peut-être, n'est-ce pas, revoir ces pays-là à revenir. Sans vous couper la parole, aujourd'hui, suite à cette démarche du président sénégalais, quelle doit être la position de ces pays de l'AES je crois qu'il n'y a pas, <laughs> il a pas mille positions. Hein. L'AES <laughs> est, est claire et qu'il n'y a pas, c'est un départ euh, sans, sans retour. Et d'ailleurs, notre premier ministre, euh, la ministre, depuis, depuis Nairobi, depuis Nairobi, effectivement, a dit, il a invité le restant des pays de la CDAO à rejoindre même l'AES. c'est mhm. Est-ce une boutade, une ironie en tout cas mhm. mordante Mais c'est que est sûr, au niveau de ces trois pays, il y a d'abord le fibre, la fibre patriotique, l'instinct de souveraineté. C'est que certains supposent de l'impérialisme, à l'instar, n'est-ce pas, donc des pays comme la Côte d'Ivoire, le, le, le, Sénégal même, mhm. même si par ailleurs il y a eu rupture, le président Macky Sall n'étant plus là. Il y a le Bénin également qui aujourd'hui on estime que c'est la base arrière, n'est-ce pas, de l'impérialisme occidental. Donc, pour moi, il n'y a pas de chance à ce que les pays de l'AES puissent retourner, n'est-ce pas, à, la CDAO et que Bashir Jung aura du pain sur la planche. <laughs> c'est votre avis. Alors, vous, Hassan Boukar, aujourd'hui, quelle est votre analyse de cette démarche du président euh, sénégalais qui s'est rendu euh, dans deux des trois pays qui se sont retirés de la Syrie, à savoir le Burkina, le Mali. Euh, il avait jugé possible euh, la réconciliation entre cette institution et ces deux pays. Et ces pays. Moi, je comprends bien <clears throat> mes deux prédécesseurs. Hein, <laughs> en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de signes qui montrent euh, euh, qu'un retour est possible. En fait, les signes, on ne les voit pas, les signes mm. qui laissent croire. Tous les signes, les déclarations disent que ce départ est définitif. Et puis, dans quelques mois, on aura atteint même le délai d'un an, hein, parce que la CDAO dit, si vous dites, vous partez, il faut un an pour que la décision... On est en train de s'acheminer vers l'année. Mm-hmm. On avait annoncé un moment une médiation, je crois, du Parlement de la CDAO qui avait fait une déclaration un moment pour dire il faut qu'on aille vers ces pays, etc. Moi, je n'ai pas vu euh, d'initiative prise par le Parlement de la CDAO. Quelqu'un comme Bassirou Jomafa, il est à l'aise pour venir parler avec les pays de, de, e D'abord, il y a un chantier commun. Un des chantiers communs, c'est le chantier de la monnaie. Mm-hmm. En tant qu'opposant, PASTEF, euh, dont les premiers responsables sont Jamafa et Sonko, mm-hmm. ils ont dit qu'ils ne souhaitaient pas voir le Sénégal continuer avec le franc CFA. Et leur démarche consiste à dire où on pousse la CDAO à aller vers la monnaie de la CDAO, puisque ça fait partie aussi des principes déjà acceptés par les pays membres de la CDAO, même si ça tarde à voir le jour. Et de dire, au cas où ça ne marche pas, eh bien, le Sénégal prendrait une initiative. Mm. Les pays de l'AES sont un peu sur cette démarche. Donc, pour moi, un des chantiers sur lesquels euh, Dioma peut travailler, c'est de dire aux pays de l'AES, écoutez, ne précipitez pas la mise en place d'une nouvelle monnaie. Mm-hmm. Euh, moi, je vais essayer de travailler, puisque une monnaie de la CEDEAO, euh, les pays de l'AES peuvent l'utiliser sans intégrer la CEDEAO. C'est une monnaie, on peut, l'adopter, on peut toujours trouver des discussions sur la base d'une monnaie. Pour moi, ça peut être quelque chose de possible et au cas où ça ne marche pas, Peut-être que l'AES et le Sénégal se mettraient ensemble autour d'une monnaie. Donc pour moi, une discussion dans ce sens est possible. Maintenant, sur le retour à la CEDEAO, je pense que que les pays membres de l'AES retournent à la CEDEAO ou non, aujourd'hui, la CEDEAO a un vrai problème. La CEDEAO ressemble un véhicule sans chauffeur. la CDA a eu toujours comme leader naturel le Nigeria. On a connu un Nigeria. Rappelez-vous des conditions dans lesquelles la CDA a été créée. C'est au lendemain de la guerre civile au Nigeria. Mm-hmm. La CDA se voulit comme un espace qui réunit tous les États de l'Afrique de l'Ouest et développer un vrai leadership régional, mhm. une intégration, etc., afin que l'Afrique de l'Ouest parle d'une même voix. Le leader, c'est qui C'est le Nigeria, mhm. c'était Yakubu Gawan, c'était les fondateurs. Mhm. Aujourd'hui, il me semble que le Nigeria a un vrai problème de leadership. Il y a un vrai problème de leadership. C'est peut-être lié aux conditions que vit le pays lui-même. Euh, un pays totalement fatigué par Boko Haram un pays aujourd'hui où la crise économique prend de l'ampleur, des manifestations, la crise sociale liée à l'abandon de la subvention des hydrocarbures pousse les gens du Nigeria à beaucoup de manifestations, etc. Une présidence menacée, des grèves. Je pense que le Nigeria vit un vrai problème aujourd'hui qui fait que celui qu'on a connu comme leadership pour aller mettre de l'ordre au, Libéria avec les Comoques dans les années 90, ce Nigeria aujourd'hui, on a du mal à le retrouver. Mm-hmm, mm-hmm. Et donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas cela, ça peut poser un problème. Mais au-delà de ça, Rappelez-vous, lorsque les décisions avaient été prises contre le Niger, y compris les décisions militaires, mhm. au-delà du Togo, plusieurs pays ont quand même montré qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils n'étaient pas prêts à aller jusque-là. Mhm. Je, rappellerai le Cap Vert clairement pour le Cap Vert, si on doit monter une armée et venir au Niger, le Cap Vert n'était pas partant. Mhm. Le Libéria de George Weah avait montré clairement qu'il n'était pas sur ce terrain. Voilà une décision qui est prise. Généralement, les décisions de la CDAO étaient actées, étaient acceptées par les pays. Une décision qui est prise où plusieurs membres montrent qu'ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire que les règles que la CDAO veut implémenter dans l'espace ouest-africain, ces règles ne sont pas acceptées à son sein. Donc, même si les pays membres de l'AES ne retournent pas aujourd'hui, la CDAO est condamnée à des réformes. Elle est obligée à faire des réformes. Maintenant, pour moi, s'il doit avoir une entente avec l'ailleurs, ça va se faire à moins et à long terme. Dans l'immédiat, je ne vois pas. La démarche du président est bien à saluer, mais pour moi, la démarche du président montre qu'on peut toujours venir discuter. Mhm, mhm. On ne s'entend pas forcément sur tout. On peut discuter. Et je crois aujourd'hui, si la CDA a besoin d'un médiateur, parce que pour l'instant, on n'a pas vu un médiateur officiel, ce serait peut-être M. Diomafaye ou le président du Togo. <laughs> Ce ne sera pas Talon. Effectivement. Merci donc, euh, merci pour euh, toutes ces précisions, ces analyses et comment Merci donc à nos invités. Ici prend fin ce forum de la presse. Nous étions en compagnie de Memouna Diado, journaliste indépendante, Abdoulaye Souman Abdoulaye, journaliste indépendant également, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes les week-ends avec l'actu des jeunes euh, dès 17h suivi de tout ça la FADA et les forums à Hausa et Zarma les samedis et dimanches à partir de 18h15 minutes. La technique est assurée par Amina Hassan. Je suis Nafisa Adam Silva la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.